Eh, dans un premier temps, il faut rappeler que ce phénomène-là est devenu de plus en plus eh, eh, ambulant, de plus en plus élevé dans la capitale Niamey, où des petits-enfants s'adonnent à la mendicité. pire, il y a des adultes aussi qui sont en train de transformer ces enfants-là en guides de mendiants. C'est un phénomène extrêmement préoccupant. Euh, que la CONID a inscrit vraiment parmi ses priorités dans le cadre de nos actions de plaidoyer, euh, dans le cadre aussi de nos actions de mobilisation sociale. Ce que nous faisons concrètement en tant que coalition, nous interpellons les autorités dans un premier temps, euh, les autorités au niveau national, mais également les autorités communales, pour trouver des réponses à cette situation-là à travers des actions de plaidoyer que nous menons euh, mais l'autre chose aussi, nous, interpellons les communautés pour euh, euh, venir en aide à cette catégorie d'enfants. Et c'est à travers nos actions de mobilisation sociale. par rapport aux communes également, nous renforçons les capacités des élus locaux sur ce qu'on appelle la planification et budgétisation sensible aux droits de l'enfant, afin que les communes, lorsqu'elles font leur budget, elles puissent prévoir des rubriques budgétaires en appui, en assistance à cette catégorie d'enfants, à leur famille. Voilà concrètement ce que eh, la de fait pour euh, tenter de, cette situation-là. Et il y a plusieurs raisons, eh, il y a plusieurs causes pour ce phénomène-là. La première euh, cause, c'est des problèmes familiaux. Euh, vous savez, souvent chez nous, en cas de divorce, euh, la situation des enfants devient extrêmement vulnérable. Il y a beaucoup de ces enfants-là sont issus des familles instables. Euh, ça, c'est une première cause. La deuxième cause, malheureusement, euh, aujourd'hui, on assiste à une sorte de démission des parents. Les parents qui démissionnent par rapport à leurs responsabilités de père, qui ne contrôlent pas les sorties et le retour des enfants à la maison, qui ne contrôlent pas les fréquentations des enfants qui ne survient pas aux besoins essentiels de leur enfant. Donc l'enfant euh, va devoir aller se débrouiller dans la ville pour trouver de quoi euh, euh sa soif ou sa faim. L'autre chose aussi, c'est ce qu'on appelle la déperdition scolaire. Avec euh, aujourd'hui le système éducatif qui est très très très malade chez nous, les enfants n'arrivent pas à évoluer dans le système éducatif, ils sont exclus et ces enfants-là vont se retrouver dans la rue l'impact est très grave. L'enfant, eh, c'est tout être humain, fille ou garçon âgé de 0 à moins de 18 ans. Eh, jusqu'à 18 ans pile, cet être-là est un enfant. Il doit absolument passer tout son temps entre la famille et l'école ou un lieu d'apprentissage d'un métier quelconque. Donc vous voyez, si l'enfant n'a pas eu la chance de voler dans un cadre familial, aussi dans eh, le milieu scolaire ou dans un autre cadre d'apprentissage, et qu'elle a passé son enfance euh, dans la rue, eh bien, c'est un capital humain perdu. L'enfant va embrasser malheureusement beaucoup de mauvaises habitudes telles que la consommation de produits psychotropes. Euh, il peut aussi s'adonner au petit vol, au banditisme urbain. bref, il devient un danger pour la société. Et c'est un capital humain que euh, la nation a perdu comme ça, parce que cet enfant-là, s'il avait grandi à l'école, il avait grandi dans un centre d'apprentissage, il pourra être un très bon citoyen qui va aider eh, au développement socio-économique de son pays. Mais en passant tout son temps dans la rue, il devient pratiquement un danger eh, et une charge, un cas social pour les communautés, pour la mairie, pour l'État.